mënoo ba fi ñëwee ak euh, fu mu mujjee woon euh, prison ak euh, mujj gi ñu rek expliquer ko Sénégal cette fois-ci ñi di way Pastef jël nguur bi te gis nañ ko mu ràññeeku won bu baax si li nga xam mo nekk combat judiciaire bi jëloon sa dossier bi demoon ba internationaliser ko on parlait l'époque l'époque wàllum CPI mom ñëwaat na def li nga xam mo nekk conférence de presse yëkkati na kàddu yi cette conférence de presse bi wax euh, par rapport ak li nga xam ne ñeel na wàllum justice mais ba tey ngi maintenir euh, bëgg ñu poursuivre ki nga xam ne moo le président de la république Macky Sall euh, ces pays mais mbir mi dafa mel aussi daf ko bàyyee loxo ñi du gouvernement bu bees bi il a été aussi reçu aujourd'hui par ki nga xam ne client ak le ministre le premier ministre Ousmane Sonko lan mooy selon vous Clédor quintessence solo ci ñu ngi kii di euh, Juan Branco ak tamit kaddu yi nga xam ne aussi yëkkati na ko aussi Clédor euh, boo doon am euh, benn lecture bu approfondie boo ci def ci li nga xam ne moo nekk fond beeg forme bi looy teg ci loxo sénégalais yi. waaw ñëw Fran Juan Branco. Mm. li ci gën a am solo. Mm. mooy la symbolique. comment ça. parce que moom dafa ñëwoon fii Sénégal pour défendre son client. Mm. en tant qu'avocat au moment où la partie adverse avait un avocat étranger en maître Olivier Sûr, mm. hmm, mm-hmm. qui lui est rentré, il a plaidé pour son client. éconduire ko. Mm. ko avion il faut aussi rappeler ses propos sur euh, le président de la République euh, de ko traité de tyran. mais c'est un tyran c'est un tyran la communauté internationale l'a traité comme tel ça veut dire qu'il a tué des gens. Mm donc nous éconduire ko en tant qu'avocat. donc avocat du ay propos nga kay nga nga pour refuser ko un droit le droit de défendre son client le droit d'entrer au Sénégal. juste à traiter la première institution du pays de tyran Clédor. mais bien sûr. Hmm. on est en démocratie. on est en démocratie kooku c'est c'est subjectif légui ñu rapatrier ko mu ñëwaat forcé forcé barrage euh, faire ba dugg ba assister une conférence de presse ba génn dëkk bi mm. ñu dem Mauritanie delloosi ko Sénégal tëj ko il n'a jamais rencontré son client Ousmane Sonko c'est la première fois mu tok ak Ousmane Sonko donc c'est assez symbolique c'est pour montrer que yalla a mën affaire yi dafa changer c'est pour montrer que les choses ont changé. donc Juan Blanco, fi mu nekk nii kenn du ko tëj kaso di association de malfaiteurs vous xam nga ñoom dañu dañu mën a deru nit. xam nga un avocat association de malfaiteurs jàpp ay Jamil Sane, jàpp ay Wa Pastef dugal leen ci kaso bi léegi ñooñu nag tey jii ñoo am liberté euh, def conférence de presse. Mhm. def seen daje et puis le dossier de la CPI du dossier bu ñuy fait. dossier boobu dis na dis boo xam ne mënu ko wane fii mënu ko exploiter fii parce qu'il y a des images insoutenables. il mm. y a un recueil de preuves irréfutables intangibles des numéros de Wave ak ñi ko envoyé des destinataires yeeg tout. Mm-hmm. des rapports médicaux attestant de mort par balle et tout des rapports d'autopsie même lépp la ñu des vidéos et des photos des aveux des conférences de presse donc lu lu lu lu lu lu ñu lijjanti la lu lu ñu organiser la loo xam dans un document de de de plusieurs pages 169 pages je crois bu ñu remettre ces pays loolu moo tere woon Macky Sall nelaw te loolu mais c'est des faits assez graves yoo xam ne euh, su fekkee ni ces pays euh, insurgé ko Macky Sall day am problème à l'extérieur. Mais Clédor bu ñu xoolee vraiment euh, la suite de ces euh, condamnations arrestations libération euh, bi nga xam ne def ko si kii di Bassirou Diomaye Faye ak di même premier ministre bi Ousmane Sonko les gens parlaient si wàllum protocole bu Manuel cette rencontre avec le président de la République Macky Sall accolade bi dégg neen sax. Euh, euh, accolade entre le président Macky Sall ak di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko même si hmm. propos yi déggoon neen kii di euh, le président Bassirou Diomaye Faye di laaj le président Macky Sall naka yaram bi comme dafa amoon benn rapprochement qui s'est créé comme ñenn analyse politique yi nga xam ne loolu leen il parle même si mbirum protocole bu Cap Manuel yaakaar nga ni Macky Sall ñii di gouvernement bu bees bi dinañ jël dossier bi porté ko si. Euh, CPI. est-ce qu'il y a une dina am ben suite judiciaire. Euh, sur ce dossier Il y a une dina am suite judiciaire sur ce dossier. parce que ce n'est c'est pas par hasard li ñu yëkkati le dossier des 45 milliards d'armes. c'est pas par hasard. oui c'est pour faire mm-hmm. la lumière sur tous ces morts qu'il y a eu. C'est loolu mo nek ci dossier CPI mm. parce que armes yoy il faut ñu xam fu ñu donc ñom ñu ngi ci lolu donc euh, oui dinañu dem jusqu'au bout mm. situer les responsabilités rendre justice aux martyrs et et et, et mettre les responsables devant la loi Nous nga xamné nous ñoo rey nit ñi savons nga xamné ne ñoo fi doon doxantoo ak ay pique bu nervi loolu dossier 45 milliards d'armement xam nga Oui. dama faté sax woné page bi am signature c'était l'information capitale je mm-hmm. l'avais pas fait euh, ci euh, tableau bi rek la pour voir ni c'était une fausse facture mais la suite il y avait la signature de Abdoulaye Diallo. Mm. et de Abdou Karim Sall ñi nga approuvé ce contrat d'armement mm-hmm. donc légui buñu leen ana mm-hmm. il faut bien qu'ils nous le disent. Il y a le colonel Adama Gueye qui est toujours au palais, mm. qui avait signé l'attestation de destination finale mm. de, de, de, plusieurs munitions. Il y a aussi, si nous mais war nañu ko parce que war nañu li fu loolu nekk. Mm. donc ces ces armes là ont servi à quoi. 4500 mm. fusils d'assaut pour un personnel qui fait au total 1028 028 euh, et forêts yëpp te ñëpp nekkuñu sur le terrain. Mm. am na ñu nekk ci bureau yi am na ñu nekk ci leneen donc 1028 euh, tu commandes 4500 fusils d'assaut et des millions de munitions loolu euh, des millions d'unités de munitions wax ma ci c'est très suspect. surtout que xamuñu fu mu dem et on, on, on, on cache euh, la réalité de la facture. Mhm. Donc, si on est dans un pays où mhm. Abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda Diallo ont commandé des armes, oui. hein? ils n'ont aucune responsabilité qui commande armes. Mm -hmm. du ñoom du donc du je veux dire donc c'est un moyen de réactiver ce dossier là moo man le kérok c'est c'est c'est un bac d'or pour reconnaître encore de ce dossier là donc dossier boobu moy dossier CPI rek. moy les morts qu'il y a eu au mois de juin et les morts qu'il y a eu depuis 2021 yo xamné dafa on a vu un gosse avec un drapeau ñu dóor ko bal ci bopp policier mon wéeru ci autre d'or ko bal ci mm. tu as vu ces images non. Mm. gis nañu Baba Kana le le le le rappeur là. on l'a tué froidement, nous, nous, nous, nous, nous, tout le monde a vu ça d'accord kooku ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi si c'est couvert par la loi d'amnistie mm. même bu nekkee ci dossier CPI au niveau au niveau intérieur vous mm. ñu ko bëggee lijjanti dossier armement yi dana parce que vous xam fan la armement et puis ci commande bi dafa a aussi ay pick-up pick-up yooyu traçabilité peut-être au moment où on exhume le dossier mm. am nañ ko ba parce qu'on a en main l'administration et l'appareil d'État et on mettra chacun de ses responsabilités. Et bi nous parlons, nous xam nañu fan la aussi euh, euh, pick-up yoy hmm. dans une société de la place. D'accord, est hmm. d'or. de toute façon. nous hmm. ñoo aux commandes. comme ni euh, dossier ils ont la gendarmerie ils ont la oh. police ils ont la direction nationale des renseignements. D'accord, attendons de voir ndax nous dem jusqu'au bout de cette affaire. avec le président mais ils vont aller jusqu'au bout. Nous ngi réformer justice bi. Je crains que nous avons une déception, Je n'aurai pas de déception. non, ils vont aller jusqu'au bout. Jusqu'à traîner le président Macky Sall euh, faufler ces pays Non, le président Macky Sall, fille, il a attirer avant CPI. Vous savez, pays, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais vous avez haute trahison, règle. Hmm. Mais Macky Sall a fait combien de haute trahison mm -hmm. Mon, mon trahison. il a pas Macky Sall. Hmm. Ah, de toute façon, hmm. euh, nous, on est là en tant que... Euh,

ne ni euh, c'est légitime euh, dina yomb. yomb pour ñu euh, revenir ci loi d'amnistie non mm. du yomb. Mm, mm-hmm. mais pexé pour connaître à nouveau de ce dossier amna na. Mm. waaw boo xam du bokk ak. levée la loi d'amnistie moy mm-hmm. lim la wax rek pourtant tontu naa ci de moy dossier Armand bi ñu yëkëti oui caaxaan taxul ñu yëkëti ko ci seen kaw la jëm. oui parce que dafa leer. Mm-hmm. parce que mën du ñu wax fu arme yi nek mais pick-up c'est même commande bi le pick-up mhm. donc mais lolo, buñ ko et puis il bi faut couvrir que les faits politiques liés aux événements. Mhm. de 2021 à 2024. Mhm. mais commande d'armée, ce n'est pas lié aux événements. c'est pas lié à la politique. waaw kooku buñ ko indee lu bees tàq lay arme à quoi ça a servi. mais on le saura parce que dans les forces de l'ordre il y avait cette chape de plomb qui les empêchait de s'exprimer tu penses que ces gens-là ne vont pas collaborer mm. tu penses que dëkk bi une ko mm-hmm. mais attendons un peu mm-hmm. on verra bien Le donc l'amnistie n'est plus un obstacle pour qu'on connaisse de ce dossier-là tout à fait Quel est le round-up de l'actualité de la semaine